le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Bonsoir à tous, il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous de dialogue sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez chaque jour grâce à notre réseau de 38 euh, radios partenaires présentes dans toutes les huit régions du Niger. Les conventions de Genève euh, du 12 août 1949, historique, avancée et défi, c'est la thématique d'aujourd'hui convention visant principalement à protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et de leur porter assistance. Elles ont été adoptées plusieurs décennies après la création du mouvement international de la Croix-Rouge CICR en 1863. 70 ans après leur adoption, ces conventions de Genève constituent de nos jours la pierre angulaire de la protection et du respect de la dignité humaine dans les situations de conflits armés, dans le sens où elles continuent à aider à la limitation et à la prévention de la souffrance humaine pendant les conflits armés dans quel contexte ces conventions de Genève de 1949 ont-elles été adoptées, quelles sont les règles pratiques qui découlent de ces différentes conventions de Genève de 1949, quels sont les États signataires de ces conventions et où s'appliquent-elles, existe-t-il des sanctions applicables en cas de non-respect de ces différentes conventions par les États partis, quelles sont les avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes conventions de Genève, ces conventions sont-elles aujourd'hui suffisamment connues dans les zones de conflit Quels sont les défis concrets qui se posent quant à leur mise en œuvre pour répondre à toutes ces questions, nous recevons l'adjoint au chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Niger, Nicolas Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, Raza Press, DIH, euh, DH, euh, Alfred Goubadier. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Et l'enseignant-chercheur en droit et sciences politiques à la faculté des sciences euh, juridiques et politiques à l'université Abdoumoumouni Yofo de Niamey. Docteur Mamani Haya, bonsoir. Bonsoir. À la présentation de ce forum, Michel Deji. Nicolas Olivier du Comité international de la Croix-Rouge. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous dans quel contexte ces conventions de Genève ont-elles vu le jour Merci beaucoup. Euh, c'est vraiment un, plaisir euh, d'être euh, parmi vous et, je, salue les, auditeurs qui nous écoutent. on n'est pas encore le 12 août 2019, mais mhm. on y arrive et c'est l'occasion de célébrer les 70 ans euh, des conventions de, Genève. Euh, pour ce faire, euh, je pense que c'est important de se remettre dans le, le contexte et de se rappeler euh, quel était l'état du monde euh, quand les, conventions euh, de, Genève ont été en fait revisitées Parce qu'il y avait mhm. déjà des conventions existantes, il, y en avait trois. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mhm. et on ne peut pas imaginer parce qu'on n'y était pas, mais l'histoire évidemment en a témoigné, euh, les horreurs euh, auxquelles euh, toute l'humanité faisait face à, la fin de la, Deuxième Guerre mondiale, avec aussi évidemment l'Holocauste, a fait que à la fin de la guerre, en 1945, le CICR a fait appel à la communauté internationale, aux, États, pour mettre en place des, un droit qui limiterait euh, la souffrance euh, des, de mmh. l'être humain. Mmh. Donc quelque chose vraiment de très, euh, je dirais, pragmatique, de, très humain, de très basique. et face à cet appel, les, les, nations se sont mis d'accord pour, pour s'asseoir et, et, discuter. Et c'est de là que sont nées les, conventions de Genève quatre ans plus tard, euh, le, 12 août 1949. Euh, euh, et juste pour nous situer dans la discussion qu'on aura, donc ces conventions de Genève, on les appelle aussi le droit international humanitaire, mhm, donc le DIH, hein, et puis on peut aussi les appeler le, droit de la, guerre. Mhm. et donc, pour résumer ces conventions, euh, même euh, la guerre a ses limites, mhm. et même dans la guerre, euh, il faut de, l'humanité. ce sont les êtres humains qui font la guerre, et ce sont avant tout et après tout des, des êtres humains. Faut-il alors comprendre qu'auparavant, les principes de protection de la dignité humaine étaient inexistants en situation de conflit Vous avez parlé des anciennes conventions qui existaient, il y a notamment la convention sur les prisonniers de guerre de 1929 Qu'est-ce qui existait à l'époque avant ces quatre conventions alors, euh, auparavant, euh, il y avait euh, donc des, provisions dans, les, les, régulations de, la haie de 1899, pardon, 99 et 1907. Mmh. et puis aussi des, proposition d'étendre euh, ces, provisions euh, aux, euh, civils. Mhm. mais les, trois premières conventions, en effet, avaient à, voir avec les, donc, les combattants sur terre, mhm. les combattants sur mer et puis les, prisonniers de guerre. Mhm. Mais il n'y avait pas de, convention qui était spécifique pour les civils. Alfred Goubadier du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire que prévoit en temps de guerre la première de ces conventions de Genève euh, de 1949. Euh, merci M. Michel pour euh, cette question extrêmement importante. Donc il faudrait dire que la première convention de Genève du 12 août 1949 régit les hostilités sur terre donc mhm. la différence fondamentale que vous allez constater avec les autres, euh, les autres conventions, c'est que là, nous sommes dans un contexte de combat en campagne. Mhm. Puisque vous allez voir, la deuxième convention régit les hostilités en mer ou bien sur, la mer, si vous, voulez. Donc là, si on revient à cette première convention-là, mhm. les règles sont spécifiquement relatives à la protection la protection, quand je parle de euh, la protection, je, vois dans cette protection-là l'ensemble des parties prenantes aux hostilités. Donc, vous allez avoir par exemple les populations civiles, qui sont d'ailleurs euh, les couches les plus vulnérables. Vous avez euh, de l'autre côté le personnel sanitaire intervenant de manière neutre pour porter secours et assistance aux parties au conflit vous avez également euh, les, les, biens, hein. vous avez également, si vous voulez, euh, les prisonniers de guerre. C'est vrai, il y a une convention spécifiquement, notamment la troisième, relative à la protection des prisonniers, mais là n'est pas la question. Je voulais l'ai dit tout simplement que la première convention qui régit les hostilités en campagne réserve ou accorde une protection à toutes ces composantes-là que je viens de citer. Donc mm-hmm. là, par exemple, quand vous prenez l'article numéro 1 de, la, de cette première convention, mhm. euh, cette disposition-là euh, fait obligation à tous les États. D'ailleurs, ces États se sont engagés de manière volontaire et souveraine à respecter la dite convention. Donc déjà, sur la base de cet engagement des États, vous voyez la volonté de protéger les personnes qui participent aux hostilités. Mhm. Donc, en un mot, c'est pour vous dire tout simplement que dans cette première convention de Genève, vous avez la réglementation de la guerre. Monsieur Nicolas l'a si bien dit tout à l'heure, à défaut d'interdire la guerre, on ne peut que lui donner un visage humain. Parce que les guerres euh, ont marqué notamment la Deuxième Guerre mondiale, avait laissé des séquelles. Et c'est pourquoi je voudrais citer ici euh, qui avait demandé, ou bien qui avait interpellé la conscience de l'humanité, en demandant tout simplement de ne pas oublier ce qui s'est passé, faisant référence à la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Donc, les États, dans cette première convention-là, notamment à son article 1, se sont engagés à respecter, c'est-à-dire à protéger la vie des personnes qui ne participent pas. Donc c'est pourquoi vous avez des dispositions qui protègent les civils. Mhm. Mais de l'autre côté aussi, vous avez des dispositions qui régissent les hostilités, qui déterminent les lois et les coutumes de la guerre. Donc en substance, voilà ce que je pourrais vous dire sur cette première convention de Genève relative à la protection des personnes. Docteur euh, Mamad de l'Université de Niamey, quelles sont les personnes protégées par la deuxième convention de Genève de 1949 euh, Merci beaucoup. Je remercie Studio Kalangou de m'avoir invité pour euh, discuter de cette question relative aux droits humains en général. Mm-hmm et du droit des conflits armés en particulier. Mhm. la question que vous posez, est éminemment importante. Donc, le président qui m'a précédé tout à l'heure, il a parlé donc de conflits sur terre. Cette convention, elle a la particularité de régir euh, les hostilités sur mer. Donc, tout ce qui se passe sur mer. Donc, vous voyez bien la différence, elle est bien tracée. Mhm. Et à ce niveau, c'est les mêmes protections qui s'appliquent. Les naufragés, les blessés, ils sont dans ce sens. Mhm. Il y a toute cette panoplie de protections mhm. qui est développée à ce niveau. En tout cas, la particularité, c'est que ça se passe sur mer. Mhm. Alors, les personnes qui sont euh, protégées sont évidemment les blessés, les naufragés, comme on le dit, ceux qui ont suivi des, des dommages dans ce sens, qui sont bien protégés. Et ces quatre conventions vont, euh, cette convention va dans ce sens hein, de la protection. Donc il y a, je ne vais pas citer tous les articles, si on remonte hein, dans le texte, vous allez voir les articles 12, 13, 14 et 15 de cette convention qui nous relatent le chapitre 1 et le chapitre 2 qui nous relèvent toutes ces personnes qui sont, qui sont protégées, notamment en ce qui concerne les blessés et les, et les malades, les naufragés. Hum. il y a cette protection qui est consacrée. Alors, la particularité aussi de cette euh, convention, c'est de voir eh, le degré de protection. Donc, le DIH, une bonne introduction a été posée tout à l'heure. Le DIH fait la distinction. Il y a la, distinction. Toujours est-il dit que vous allez poser certainement cette question en ce qui concerne le socle commun à toutes ces, ces quatre conventions. Mais cette protection, il y a des régimes bien spécifiques, mhm. notamment en ce qui concerne la distinction qui est combattant, qui n'est pas combattant, et objectif militaire et bien civil. Cette euh, convention tient compte en amont de toutes ces particularités et en plus des personnes qui sont citées dans la convention. Mhm. Dans la troisième convention, on parle de prisonniers de guerre. Que dit la Convention à leur propos Nicolas Olivier du Comité international de la Croix-Rouge euh, CICR. Mhm. Euh, donc, <clears throat> euh, cette, convention euh, est, relative au, traitement des, prisonniers de guerre. Donc, quand, il y a une, guerre ou quand il y a un conflit, il y a des, prisonniers. et allant à, l'endroit du fait qu'une fois qu'un combattant a, a, déposé son arme ou s'est rendu euh, il, est, protégé euh, sous le, le, DIH, et eh ben, quand il est prisonnier, il ne participe plus aux hostilités et donc il est aussi euh, protégé. Et donc le but de cette troisième convention qui existait déjà, mais en fait, elle a été revisitée parce qu'elle était euh, trop euh, libre, euh, en fait, sujette à être libre dans son interprétation mhm. et donc dans sa, mise en œuvre. Donc, en fait, elle est devenue beaucoup plus précise et elle a, elle a d'ailleurs les les, ces conventions devaient, euh, son texte devait être affiché dans les, les camps euh, de, de, prisonniers euh, pour justement euh, que les, traitements de ces, prisonniers euh, soient faits de, manière euh, plus, plus humaine. Hein. Donc, euh, par exemple, en ce qui concerne le travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières, les, secours qui leur sont envoyés, les poursuites judiciaires, et aussi le principe hein, selon lequel les prisonniers de guerre sont libérés et rapatriés sans délai après euh, la fin des, à la fin des hostilités euh, actives. Euh, donc c'était vraiment une, et ça, continue évidemment d'être une, protection fondamentale. Et, je peux vous dire, de par mon expérience sur le terrain, puisque je parle ici en tant que praticien humanitaire, hein, je ne mhm. suis pas juriste, mais c'est vraiment un élément, je dirais, qui, auquel les combattants peuvent, se, peuvent, peuvent vraiment ils peuvent se reconnaître euh, là-dedans parce que euh, un jour, ils, pourraient être emprisonnés prisonnier ou euh, un jour ils l'ont déjà été et ils ont vécu ou ils pourraient vivre ce qu'est l'importance d'être protégé sous cette convention. Mmh. Donc ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas que ce soit fait à nous. Et là, de nouveau, on voit euh, cet, aspect, cet élément de l'humanité euh, qui ressort euh, dans cette convention comme dans les autres. La quatrième convention met en exergue les civils en territoire occupé. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau et qui n'existait pas auparavant Alfred Goubadia. En fait, à la question à laquelle vient de répondre M. Nicolas, par rapport aux prisonniers de, guerre. La troisième convention. La troisième convention. Mhm. En fait, je voudrais tout simplement ajouter que, comme il l'a si bien dit d'ailleurs, que les prisonniers de guerre euh, ont un certain nombre de droits, parmi lesquels, notamment, euh, le droit à être traité avec humanité en toutes, circonstances. Euh, mhm. Le DIH les protège contre tout acte de violence ou d'intimidation contre les insultes, contre euh, euh, les insultes et à la curiosité publique, ils ont droit au respect de leur vie et de leur dignité droit au respect de leur personne et de leurs convictions politiques et religieuses. Donc euh, vous voyez quelque part, il y a une sacralité de la personne humaine. Ce mhm. n'est pas parce que c'est un prisonnier qu'il n'a pas de droits. Et comme d'ailleurs M. Nicolas l'a dit, aujourd'hui, ils sont prisonniers, mais demain, on voit, donc, on voit dans, dans, dans cette situation la personne humaine et non sa situation de prisonnier. Mhm. Donc elle a droit au respect scrupuleux de sa vie, de ses droits fondamentaux, qui sont des droits qui sont vraiment garantis par les, les, les, les différentes conventions internationales. Quand vous prenez, par exemple, c'est vrai, c'est pas le contexte, mais quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle prévoit un certain nombre de droits indépendamment même de, de, votre appartenance à une idéologie politique, etc. Non, mais mhm. tout simplement du seul fait que vous êtes être humain. Donc les prisonniers de guerre également, sur la base de cette troisième convention de Genève, bénéficient de ces, différents droits que je viens de, citer. La Déclaration universelle des droits de l'homme a d'ailleurs précédé ces conventions de Genève. Oui, euh, oui, justement, tout à fait. Mhm, parce qu'elles étaient déjà au niveau de l'année 1948. Les différents textes se sont d'ailleurs inspirés de, la déclaration, pour garantir les droits humains mm. de manière générale. C'est vrai, il y a eu lieu. Mm. Maintenant, la quatrième convention, elle met en exil les civils euh, en territoire occupé. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau et qui n'existait pas Oui, euh, quand vous regardez, c'est vrai, euh, avant, sur les différentes conventions que vous, mm-hmm. qui ont été citées ou bien adoptées et qui régissent les lois et les coutumes de la guerre, euh, il y a une certaine évolution. D'ailleurs, le, comité international de Carouge, je ne suis pas <laughs> spécialiste humanitaire, mais a suivi de très, de, très près cette, question, cette évolution. Il y a eu, j'ai noté quelques références, en 1920 déjà, il y a eu quelques réflexions menées par le CICR, qui est le gardien de convention de Genève, sur la protection des victimes de conflits armés. Mais on n'avait pas un corpus juridique assez étouffé. Et vous allez voir qu'en 1934, à la conférence de, Tokyo au Japon, il y avait également un autre texte mhm. qui a été initié. Donc tout ceci va de réforme en réforme dans le sens d'améliorer la protection. Parce que les textes ne sont pas figés. Elles tiennent compte de la réalité sur le terrain. Vous voyez. D'ailleurs, quand vous prenez le livre de Henri Dunant, un souvenir de Solferino, Du CICR. Du, CICR, mhm. qui est d'ailleurs même euh, l'élément moteur hein, qui a mhm. déclenché tout ce dont nous sommes en train de parler. Tout le mouvement humanitaire de ce comité. Justement, donc avait été parti sur la base d'un constat. Mhm. Henri Dunant, arrivé à Solferuno, s'était rendu compte que, mais voilà, euh, euh, un théâtre de guerre, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'assistance, il y avait les gens qui gémissaient. Mais comment faire Et de là, les réflexions étaient parties. Et aujourd'hui, vous voyez, on a tout cet arsenal qui est là, qui disait, bon, quand il y a la guerre, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà mhm. les biens qu'il faut toucher, voilà les biens qu'il ne faut pas toucher, voilà les personnes. Et voyez même là où les réflexions sont allées dans le sens de la protection, même les, comment les, personnes qui prennent les armes, on dit qu'elles ont des droits. Tant que les personnes la déposent les armes, Donc c'est pour dire qu'il y a eu tellement d'avancées. Et pour justement euh, répondre à cette question-là de manière plus euh, concrète, vous voyez aujourd'hui ce qu'on a comme avancée, c'est euh, le, le, l'humanisation de la guerre. Avant, les guerres étaient réglementées, mais les dispositions étaient disparates. Mais aujourd'hui, on a des dispositions assez précises qui réglementent là. C'est pourquoi nous parlons des lois et des, règles qui restent les lois et les coutumes de la guerre. Aujourd'hui, quand il y a la guerre, on sait comment est-ce que les guerres se font, on sait euh, les biens qui sont protégés, on sait les personnes qui sont protégées, on sait jusqu'à quel degré on doit toucher aux personnes qui participent au combat. Hum. On sait par exemple, imaginez sur un théâtre d'hostilité, un journaliste, vous surtout les, journalistes, vous êtes là, mais les textes disent que vous ne devez pas être touché. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas partie prenante au conflit. Vous êtes là tout simplement au nom du droit à l'information pour informer le public. Les médecins sont là pour soigner. Donc, vous voyez, toutes ces règles-là aujourd'hui, avant, ce n'était pas forcément le cas. Il y avait des violations flagrantes des droits humains dans le théâtre, en fait, sur le théâtre des hostilités. Mais aujourd'hui, vraiment, en termes d'avancée, je peux me dire que, euh, je peux me féliciter même d'ailleurs de cet aspect que la guerre est en train de prendre un visage humain. Hum. Mais comme on l'a dit, à défaut d'interdire, parce qu'on ne peut pas interdire la guerre, mais puisqu'on ne peut pas l'interdire, qu'est-ce qu'on peut faire C'est tout simplement de continuer dans le sens de cette réglementation-là. Mais euh, on va revenir sur cette question-là la tâche n'est pas encore achevée. C'est-à-dire que y a eu certaines avancées. Mais on va le voir dans les, aujourd'hui les conflits contemporains, hmm. notamment la, la cyberguerre aujourd'hui. On va revenir sur cette question-là. Donc il y a eu tellement de choses. Donc je ne remets pas, je ne suis pas en train de dire que quelque chose n'a pas été fait. Beaucoup a été fait. Mais il reste encore des choses. Et nous allons y revenir dans les prochaines questions. Oui, c'est vrai, on a prévu pour les avancées des questions à ce sujet. mais bien avant, quel est le point commun de ces quatre conventions de Genève, euh, docteur Mamandi Je vous remercie beaucoup. Donc, je disais, moi-même, je vais dire un mot par rapport à ce qui a été dit précédemment. Mhm. Si vous permettez, à ce qui concerne les prisonniers de guerre, c'est un statut qui est un statut privilégié. C'est un statut qui est différent des statuts de prisonniers de droit commun. Mhm. Et on parle de prisonniers de guerre en matière de conflit armé international. Je pense que c'est une précision à apporter à ce niveau, c'est que dans les conflits armés internationaux, qu'on parle de prisonniers de guerre, donc dans les conflits armés internationaux, en tout cas non internationaux, ce statut n'existe pas. Mhm. Alors, sur euh, la quatrième convention, j'ai dû relever que les conventions qui existaient avant, en tout cas dans leur disposition, ne prenaient pas en compte euh, les civils. Ils mhm. mettent en avant les combattants. Donc je pense que c'est une nuance importante parce que c'est une avancée très significative et importante, le fait que la Convention de 49, euh, la quatrième, elle prend en compte effectivement les civils. Donc c'est une situation qui n'existe pas. Je pense que c'est juste pour euh, encore compléter mmh, euh, mmh, mmh. le président. Par rapport à la question qui est posée, euh, sur le point commun en ce qui concerne les quatre conventions, je pense que les quatre conventions de, Genève constituent l'ossature du droit international humanitaire et constituent euh, un ensemble de règles essentielles. je vois déjà, en ce qui concerne les quatre conventions, elles s'appliquent aux conflits armés, notamment y compris les conflits armés non internationaux, notamment en ce qui concerne l'article 3 commun mhm. aux quatre conventions de Genève, qui, est, qui a une écriture extraordinaire et qui a apporté euh, je pense, euh, une plus-value par rapport à la compréhension. Parce que, euh, au début, quand ce foisonnement du droit international humanitaire a commencé, on n'a pas mis le focus sur le conflit non international. L'intérêt a été beaucoup porté sur le conflit armé international qui était un peu plus d'actualité. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est vu à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a que ces genres de conflits qui se développent. Mhm. D'où la nécessité de trouver une parade. On ne peut pas laisser euh, sous couvert de certaines conventions, bien qu'on peut réviser le contenu, c'est les États qui adhèrent, et que des situations aussi dramatiques que les conflits armés internationaux, euh, n'est-ce pas, ne soient pas pris en charge par le DIH. Mmh. C'est pourquoi euh, je pense à mon niveau que les quatre conventions de Genève ont un point important, notamment le premier point, c'est le respect de la dignité humaine le respect de la dignité humaine, euh, le respect de la personne humaine qui est sacrée, euh, la consécration de l'intangibilité des droits de l'homme, de respecter, de mettre en avant les personnes civiles, les protéger, ceux qui ne combattent pas, ceux qui ne combattent plus, ceux qui ont cessé de combattre, leur protection est contenue, en tout cas en ce qui concerne les quatre conventions. Les quatre conventions disent de respecter les civils de protéger les civils, et notamment un principe cardinal en ce qui concerne le droit de conflit armé, c'est le principe de distinction que j'avais dit tantôt. Mm. En ce que euh, si la guerre elle est, elle est juste, les armes ne sont pas toujours justes. Il faudrait euh, voir faire une réglementation dans ce sens. Le principe de distinction est important et il traverse euh, toute euh, ces, ces, quatre conventions. Il y a également le principe de proportionnalité en amont qui rentre en cela. Donc la guerre n'est pas faite pour détruire, mais elle est faite pour pouvoir maîtriser eh, l'ennemi en quelque sorte. Si on arrive à cet objectif-là, il faut cesser la guerre, il ne faut pas détruire, il ne faut pas faire des effets je pense que c'est des, aspects essentiels. Il y a beaucoup d'aspects, mais les plus importants, sont le respect de la dignité. Ces principes-là, même de précaution également, qui, mm. rentrent. Précaution euh, avant l'intervention, pendant l'intervention, après l'intervention. Tous ces principes-là sont contenus en quelque sorte, si on regarde dans les différents articles, je ne vais pas les citer tous, mm. vous allez voir ces principes ressortent. Alors, si vous dites ces principes existent aujourd'hui, peut-être une question va être posée dans ce sens. L'évolution, est-ce que dans le respect, euh, dans la pratique, est-ce que euh, il n'y a pas de difficultés Les difficultés ne manquent pas. C'est pourquoi hmm. peut-être on peut poser on, des. On reviendra sur les difficultés. Olivier Nicolas du Comité international de la Croix-Rouge. En résumé, quelles sont les règles pratiques euh, qui découlent de ces différentes conventions de Genève de 1949 je, tiens à les, citer parce que c'est, aussi la, base euh, du, travail du, du CICR, euh, de faire en sorte euh, que, que ces, règles soient, soient respectées. Hein. donc premièrement, nul ne doit être soumis à la torture ni à d'autres formes de mauvais traitements. le viol et d'autres formes de violences sexuelles sont interdites. Mmh les blessés et les malades doivent bénéficier de soins médicaux. Il est interdit d'attaquer les hôpitaux et les personnels de santé. Les personnes détenues doivent être traitées avec humanité. Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches et les morts doivent être traités avec dignité. Donc là, on a, on a vraiment, euh, je, pense que c'est ici, on, a le, cœur euh, de de, ces conventions de, Genève et, ce sont des règles qui sont très claires, euh, qui sont, euh, on peut, quand vous travaillez sur le terrain, quand vous travaillez dans des, des, des, situations de, conflits armés et dans toute euh, l'horreur qui se passe pendant ces, ces situations, vous, vous, vous, vous savez, vous voyez tout de suite que si ces règles de base sont respectées, eh ben, la souffrance euh, euh, va diminuer, la, dignité euh, va être maintenue et, l'humanité va, va, pouvoir, dirais, exister malgré la tourmente mhm. de la guerre. donc, ce sont vraiment ces règles très pratiques qui, sont, qui, sont, citées dans, les, dans les conventions de Genève on voit bien donc euh, qu'il existait des choses euh, qui n'étaient pas prévues et que ces différentes conventions viennent euh, réglementer, mais on parle aussi de protocoles additionnels à ces quatre conventions de Genève. Quels sont les objectifs visés par ces nouveaux instruments, Alfred Goubaye du Raza Merci, monsieur Michel, pour cette question sur les protocoles additionnels. Donc, je voudrais préciser qu'initialement, les conventions de Genève avaient deux protocoles additionnels. Hum. Mais par la suite, en 2005, on a assisté à l'adoption du troisième. Du, troisième protocole. Hum, hum. je vais euh, m'appesantir euh, sur ce dernier protocole avant de revenir sur les deux autres. Euh, ce protocole visait tout simplement à initier un autre emblème, puisque il y a une certaine discordance, si vous voulez, ou bien un désaccord entre les acteurs ou bien au niveau des États quand tu as l'utilisation des emblèmes. Et les emblèmes, là, ont justement pour rôle de, de, protéger. En fait, c'est des signes distinctifs qui permettaient tout simplement, sur le théâtre des hostilités, mhm. d'accorder une protection aux personnes qui les portent. Donc, vous avez le, le croissant, vous avez la croix rouge. Donc, il y a eu un débat sur cette question-là. Donc, en 2005, justement, on a initié le cristal rouge qui euh, permettait tout simplement d'apporter un autre emblème qui pourra faire consensus entre les États euh, quant à la protection. Donc ces emblèmes-là ont tout simplement pour objectif de, de, protéger, de distinguer euh, les acteurs sur le théâtre de l'hostilité qui est combattant, qui ne l'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mhm. Donc vous avez également de l'autre côté les deux protocoles additionnels aux conventions de Genève, notamment le protocole 1 et 2. Le protocole 1 qui euh, régit les hostilités, si vous voulez, les conflits armés internationaux et le protocole 2 qui régit les conflits armés non internationaux. Donc, euh, ces protocoles-là ont pour objectif, comme son nom d'ailleurs, de, compléter déjà le dispositif ou l'arsenal juridique euh, contenu dans les quatre conventions de, Genève. Mais la particularité, c'est que déjà, le euh, docteur l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'à partir déjà des deux protocoles, on a une idée je ne sais pas si je, l'ai dit ici <laughs> chez vous. Euh, à l'école, par exemple, quand on vous donne un exercice en mathématiques, quand euh, vous ratez le domaine de définition, vous allez forcément rater le résultat. Mhm. Évidemment. Donc, ces deux il y en va également de même pour ces deux protocoles. C'est-à-dire, quand vous voulez qualifier un conflit armé et que vous, vous ratez la qualification, c'est comme si vous, vous allez quelque part rater le droit applicable. Mhm. Donc, c'est quand vous trouvez la qualification juridique que vous allez trouver le droit applicable. Quand vous ratez la qualification, vous ratez. Donc, vous voyez, on a un conflit, un, qui régit les conflits armés internationaux. C'est le protocole 1. Vous qualifiez une situation, par exemple, le conflit armé interne, et que vous lui appliquez le protocole 2, il y a un problème. Donc, il faut d'abord en amont bien comprendre le sens et le contenu de chacun de ces protocoles et d'ailleurs aussi comprendre d'abord une situation afin de savoir quel protocole lui appliquer. C'est des exercices, et des, des, des, trucs pratiques qu'il faut euh, bien, bien assimiler. Donc, le protocole 1 régit les, hostiles, les conflits armés internationaux et le protocole 2 les conflits armés non internationaux. Et docteur a très bien rappelé tout à l'heure l'article commun, l'article 3 commun aux conventions de, de, Genève, qui, quelque part, est, si vous voulez, la synthèse de ces différents conflits-là euh, euh, au niveau, euh, qu'on revoit aussi au niveau interne. voilà la différence fondamentale entre ces, différentes, ou bien ces différents protocoles. Les deux premiers, le, conflit, le protocole 1 sur les conflits armés internationaux et le protocole 2 sur les conflits armés internes. Et le protocole 3 sur l'adoption d'un troisième emblème qui est le cristal rouge. En 2005. 2005, merci. On voit bien que ce protocole vient euh, donc euh, compléter ce qui est déjà dit au niveau des quatre euh, conventions de Genève de 1949. Mais docteur, quels sont les États signataires de ces conventions de Genève et où s'appliquent-elles Merci beaucoup. c'est demandé beaucoup quels sont les États, parce que je n'ai pas les compétences de les citer. Mhm en tout cas de façon énumérative. Mais tout simplement, de dire le nombre peut-être. C'est tout simplement, je peux vous dire que c'est une convention euh, qui est signée, ratifiée par pratiquement tous les États membres des Nations Unies, à l'heure actuelle, peut-être même plus, les 194 États membres. Donc, et cette convention euh, va dans le sens d'une convention euh, universelle. Mhm. Je pense que ça atteint ce degré d'universalité et qu'il faut respecter à ce niveau. Je pense, on parle même de 193 États membres des Nations Unies, avec euh, le Sud, Soudan, tout ce qui va dans ce sens, je pense, tous les États, peut-être même plus que les Nations Unies, les 194 États à l'heure actuelle, à ma connaissance, je ne sais pas, 196, 196, donc 196 États exactement, qui sont signataires. Alors, où s'applique... Euh, euh, ces conventions, c'est ça la question. ces, ces, conventions s'appliquent sur le terrain, bien sûr, des conflits. Mm-hmm. Sur le terrain des, conflits. Euh, au-delà de, cela, bon, où s'applique, nous avons le terrain de, de, conflits, dans les, conflits armés, internationaux et non internationaux. Il y a toutes ces règles qui s'appliquent à ce, à ce niveau. La particularité qu'il faut amener à ce niveau, c'est que certains conflits, peut-être ici, on ne l'aborde pas souvent, on n'a pas posé des questions, parce que la typologie des conflits, elle est importante quand même de savoir les types de conflits qu'il y a. Kalango a déjà fait un forum qui a porté sur cette euh, la typologie. cette qualification des conflits armés. Ok. Voilà. Ok, tant euh, merci pour euh, les éléments de réponse que vous avez apportés. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Olivier Nicolas du Comité international de la Croix-Rouge, en cas de non-respect par les États partis de ces différentes conventions, quelles peuvent être les sanctions applicables Déjà, est-ce que vous, avez une idée du nombre euh, exact de pays qui ont accepté ces quatre conventions de Genève alors, euh, comme on a dit, 196 hein, euh, pays. maintenant, je pense que ce qui est important de noter, c'est que euh, en fait, c'est aux États, euh, euh, la responsabilité revient aux États de criminaliser les, violations les plus, les plus graves des, conventions de, Genève. et il ne faut pas oublier que <clears throat> les, ce sont les États qui sont signataires, Des, conventions de, Genève. Euh, et c'est un des rares traités universels euh, qui a été ratifié universellement euh, par les, États. et donc, ce sont aux, États de, faire en sorte qu'ils suivent les, règles qui sont dictées dans les, conventions de, de Genève. Il y a aussi des mécanismes internationaux. Hein, bah, comme euh, la Cour pénale euh, internationale, euh, qui, qui aussi qui, permet ce, genre de, processus. Il y avait aussi le Nuremberg. Hein, donc, donc il y a en effet des, sanctions qui sont, qui sont applicables à, à l'encontre des, des conventions de Genève. Merci. Et quelles sont les avancées dans la mise en œuvre de ces conventions de Genève, euh, Alfred Goubadier du Raza Presse euh, Je crois que nous avons déjà touché cette question tout à l'heure, mhm. euh, quand je parlais de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme acquis et que je faisais déjà la Genève, et pardon, la, genèse mhm. hein, du processus même hein, de, l'adoption. Et un conduit à, conduit à tous ces textes-là. Aujourd'hui, s'il faut résumer à l'heure actuelle, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes, euh, quelles sont les principales avancées, on peut dire, vous pensez Oui, euh, le, point fondamental, c'est surtout la, c'est surtout c'est surtout la question des civils. Et je mhm. crois que le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Mhm. Donc c'est pourquoi j'avais rappelé Henri Dunant avec euh, un souvenir de Solferino, ce qu'il avait constaté. Donc les civils sont au cœur de l'action. C'est la protection des populations civiles surtout. Donc euh, vous voyez aujourd'hui avec euh, ce qu'on a comme arsenal, on voit clairement une certaine idée de protection des civils. Mhm. C'est pourquoi aujourd'hui sur les théâtre des hostilités tous ces principes qui ont été rappelés, les principes de distinction, de précaution, etc., etc., trouvent quelque part application. C'est vrai, le pari n'est pas encore forcément gagné, mais quand même, il y a une avancée significative. Quand vous prenez la période d'entre les deux guerres, à aujourd'hui, la guerre n'a plus le même visage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui retient pratiquement les États Vous voyez, quand vous regardez la scène internationale, vous assistez à l'escalade de la violence verbale. Mhm. Mais les forces sont quelque part retenues. Pourquoi Parce qu'il y a un arsenal juridique qui est là, qui retient les gens. Personne n'ose aller rapidement. <laughs> Merci alors, euh, docteur Maman Yahya, ancien chercheur en droit à l'université Abdoumouni de Diofo de Aujourd'hui, quels sont les défis actuellement qui se posent encore dans le cadre de la mise en œuvre de ces quatre conventions de Genève que les défis sont, sont, énormes parce que la guerre, comme on la connaissait avant, elle a changé de visage. Aujourd'hui, il y a certaines considérations d'ordre technologique, des conflits qui deviennent des conflits frontaliers, transnationaux, multinationaux, mhm. qui demandent un recadrage au niveau de la conception même parce que il s'agit de traiter, de voir l'évolution de la, de la guerre. La question des drones aujourd'hui, il faut l'évoquer, la technologie. La question euh, du respect, le principe même de distinction qu'on connaît des difficultés à l'heure actuelle. Quand vous avez même si la perfidie a toujours existé, continue d'exister, mais elle s'est développée ces dernières années dans les nouveaux types de conflits qui existent à l'heure actuelle, notamment les questions de terrorisme, les questions de tout ce qui va dans ce sens. Et euh, il y a, euh, on ne sait pas qui est véritablement combattant, mhm. c'est une difficulté qui est civile, et ces pratiques des civils font en sorte que des civils innocentes courent des risques. Aujourd'hui, il y a des civils, mais il y a certains civils qui, qui participent à l'effort de guerre, comme on le dit. Mhm. Et il y a des civils qui sont véritablement innocentes. Alors, la distinction, et même du côté même des combattants, ces genre de jeu continue il y a des difficultés à ce niveau sur même le principe de distinction euh, qu'il faut voir dans ce sens avec le développement. Merci docteur. Euh, Olivier, c'est de nous dire enfin, puisque nous sommes, euh, je le disais, presque à la fin de cette émission, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ces conventions de Genève de 1949 sont suffisamment connues Et peut-être un mot pour terminer, puisque vous avez voulu parler. Merci. Alors la, la réponse est non. Euh, dans le sens où oui, euh, des efforts sont faits, euh, comme par exemple à travers ce, ce programme, et euh, mais euh, il est nécessaire euh, de, continuer de, parler, d'échanger sur les, conventions de Genève, et le faire à tous les niveaux, que ce soit au, niveau étatique, mais aussi au niveau académique, au niveau des, médias, au niveau des, des, jeunes. Si je peux juste rebondir sur ce que le docteur disait, ce qui est intéressant avec les conventions de Genève, c'est que même si elles datent de 1949, euh, elle reste d'actualité. Mhm. Euh, on parlait justement euh, hein, des avancées technologiques, de la, guerre faite à, travers le cyberespace, les armes autonomes, etc. Eh bien, les, règles de la guerre, elles s'appliquent aussi à ce type de, nouveaux contextes, de, nouvelles guerres. on voit aussi que maintenant, les guerres durent beaucoup plus longtemps. Hein, euh, elle, dure beaucoup plus longtemps, elle se passe aussi dans des zones beaucoup plus peuplées, euh, dans des zones beaucoup plus urbanisées. Mhm. Euh, mais les, conventions de Genève, le droit de la guerre continuent d'être pertinents et, d'être applicables. Donc malgré le fait qu'elles ont 70 ans, elles restent jeunes, elles restent pertinentes et elles n'ont pas d'âge. Merci, chers auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème les conventions de Genève euh, du 12 août 1949, historique avancé et défi. Nous comprenons que ces conventions de Genève sont quatre traités internationaux qui contiennent des règles essentielles qui limitent les violences et l'atteinte à la dignité humaine en situation de conflit Retenez que la première convention protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre. La deuxième protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre. La troisième s'applique aux prisonniers de guerre et la quatrième convention assure la protection des civils, notamment en territoire occupé. Toutes ces conventions ont été adoptées le 12 avril 1949. Nous avons aussi trois protocoles additionnels. Nous étions en compagnie de l'adjoint au chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge euh, CICR au Niger, Nicolas Olivier, du président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, Raza Press DIH, DH, Alfred Goubadier, et de Dr euh, Mamman Yahaya, enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques à la faculté de droit à l'université Abdoumou Nidjofo de Niamey. Merci à nos invités, à vous aussi, chers auditeurs du studio Kalangou. Au micro, c'était Michel Léger pour la présentation à la technique Issa Laoli. Rendez-vous demain à la même heure sur vos radios habituelles pour suivre un autre forum de Studio Kalangou. Au revoir.